Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Ministre en charge des institutions, honorables députés, chers collègues, beaucoup Sénégal Vous faites tenu que que nous en train de faire bi tàkk kon bis bu de vous bi Vous bu fekkonte tenu dañu war une commission d'enquête enquête ci lépp lu qui doxul ci taxawal une commission buy enquête ci assemblée nationale bi bu yàgg ndax wax dëgg yàlla askanu Sénégal def naa ni des nañu assemblée nationale boo xam ne saa yu ne ay xulu ay xeex ak ay saaga comme kenn mënuñu enquête nous ñu ne ñun nañu enquêté ji juge man yàgg wax ci injustice bi nga xamné naufrage bi nga la justice Sénégal deke. wayé Vous sétlo conseil constitutionnel atte won lenen lu muy atte ci mbir yi fi xew bu terminer vous aurez droit à la parole conseil constitutionnel Sénégal qui réclamation yi nga xam ne teg nañ ko fi muy yi ñu vous bu un woon leneen lu wuuteeg conseil constitutionnel parce que le droit a été dit sur la réclamation que j'ai portée le droit a été dit contre la réclamation portée par le candidat du pouvoir à partir de ce moment les députés des députés du Sénégal. À partir de ce moment, l'Assemblée nationale du Sénégal, bi nga voté la loi sur le parrainage ici confier au Conseil constitutionnel le contrôle du parrainage nous taxaw tay di le droit qu'on a confié au conseil constitutionnel de contrôler les parrainages erreur bi mu ngi ba ngeen assise dialogue national ngeen dem dialogue national nangou lepp japp tout va rouler comme sur de de l'or vous avez fait face à la justice de ce pays oui la justice a été dite et c'est une honte c'est une honte c'est une honte, je dis, que l'on invente des allégations pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Il n'y a aucune preuve qui a été apportée, aucun début de preuve. Sinon, du unique comme nous sommes may comme nous y nous défendre Sénégal Vous tax jaaxal na ceci ne m'ébranle en aucune façon pas et je m'adresse à cette nouvelle coalition en gestation qui veut reporter les élections et perturber l'ordre constitutionnel de ce pays. Vous avez condamné le Mali, vous avez condamné le Burkina Faso, vous avez condamné le Niger parce qu'il y a des coups d'État. Et vous êtes en train de vouloir programmer un coup d'État constitutionnel en voulant reporter des élections. Nous disons non au report des élections qui se tiendront à bonne date. Parce que c'est vous qui avez voulu confier au Conseil constitutionnel le contrôle des parrainages par une loi que vous avez votée récemment à l'issue de votre dialogue national. la caravane, la caravane la caravane du Sénégal va passer. Le Sénégal est plus bas que terre. Parce que oui, c'est cette assemblée-là qui est indigne de représenter le Sénégal et qui s'en prend au reste de nos institutions parce qu'elle est incapable de faire son devoir. Vous ne pourrez faire taire personne, mesdames, messieurs. Pas plus que vous n'avez pu rien contre ma réclamation, vous ne pourrez pas faire taire le peuple sénégalais qui est debout, qui comprend et qui s'en va ira. Vive le Sénégal, vive la République pour des élections dans les délais. Vive le Sénégal, Monsieur le Président, vous avez constaté que j'étais victime d'une agression ici. Comme la collègue Aminia Gibi a été victime d'une agression. Et j'espère que vous ferez votre rapport. Parce que oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Merci. Oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Merci. Et j'espère, Monsieur le Président, avec la même célérité que vous avez fait le rapport sur le cas Aminia Yibi, vous ferez la même célérité pour faire le rapport contre des agresseurs dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Merci. La parole est à notre collègue euh, Bakary Bakari Bine Kamara, suivi de Adi Mergan.